Je présente d'abord l'initiative Badianougor, qui est une idée du président Abdoulaye Wade. C'est un programme communautaire qui contribue à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, OMD 4 et 5, en suscitant la demande des services de santé de qualité. Donc, euh, notre travail consiste à identifier et organiser les femmes leaders issues des groupements et associations de femmes en un système de parrainage pour améliorer la santé de la mère du nouveau-né et de l'enfant. Il s'agit pour la Badienne d'accompagner et de soutenir le couple mère-enfant dans la recherche de soins SR, santé de la reproduction, au moment opportun en s'appuyant sur les conjoints, les belles-mères et les grands-mères. Donc, euh, au Sénégal, traditionnellement, traditionnellement la Badienne qui est la sœur du chef de famille, du père, occupe une place stratégique au sein de la famille elle jouit de toutes les considérations par ses rôles de conseillère de son frère, coach de la femme de son frère, Ndjeke, marraine des enfants, Badienne, médiatrice, soutien psycho-affectif et financier du couple. Ces attributs expliquent le choix de la Badienne pour porter l'initiative Badienne Le parrainage est aussi une tradition qui se poursuit encore aujourd'hui. Elle se traduit par des relations de soutien et d'entraide du type Ndédiké, ndeyale magale donc l'initiative Badjen trouve ses fondements dans le rôle de la Badjen dans le rôle du parrainage euh, notre objectif c'est accroître la demande de soins à, en SR chez les femmes pendant la grossesse l'accouchement, le postpartum et chez les enfants de 0 à 5 ans sur l'ensemble du territoire national. Améliorer le niveau d'utilisation des services de santé infantile maternelle et infantile par les femmes durant la grossesse, l'accouchement, le postpartum et les enfants de 0 à 5 ans. Promouvoir la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile à travers le renforcement de capacités des individus, des familles et des communautés. Établir un partenariat avec la communauté, les collectivités locales, le secteur privé et les partenaires en faveur de la santé de la mère, et de l'enfant. Donc, euh, bon, je crois pour la présentation, ça suffit. Donc, euh, donc mais euh, on est venu sur le terrain. on nous a donné un cahier de charge, mais on a trouvé vraiment des problèmes. Il y avait beaucoup de difficultés. Il y avait comme difficulté l'ignorance, les barrières socioculturelles et religieuses, la féminisation de la pauvreté, la négligence, le coût élevé des consultations, la lenteur dans la prise de décision, parce que chez moi à Wakam, euh, entre 2010 et 2015, euh, planification familiale, il faut d'abord qu'elle ait l'aval de son mari. Des fois, le mari demande à sa maman ou à sa soeur, mais il y une structure sanitaire, nous avons dit que

Kolda euh, Fouta euh, Dakar Dakar donc il fallait des actions on a essayé de mettre en place un conseil communal pour la protection de l'enfance on a mis en place aussi dans les quartiers des comités de veille et d'alerte communautaire sensibilisation création d'agères, intégration des femmes dans les comités de santé création d'une mutuelle de santé, ouverture d'une crèche communautaire, session de formation sur les droits humains, genre et VBG. Là, nous ne pouvons passer sans remercier l'AGS vraiment, qui a beaucoup fait pour ces femmes. Mise en place de, 3, 71 associations villageoises d'épargne et de crédit. Pour venir dans le modèle avec, nous, euh, de, à un moment, on s'est dit que L'autonomisation de la femme est un moyen de, négociation dans le ménage, dans la famille en général. Donc, on a mis en place des associations villageoises d'épargne et de crédit, endogènes généralement constituées de 20, 20 à 25 femmes actives dans le petit commerce, dans l'artisanat local et dans de petites unités de transformation les AVEC facilitent l'accès à des services financiers adéquats pour gérer les liquidités dans les ménages, faire face aux événements de la vie et investir dans les activités permettant de générer un petit revenu. L'épargne fonctionne en rotation régulière hebdomadaire sur décision des membres de l'association. Elles définissent l'ensemble des conditions d'organisation et de fonctionnement. Le montant d'épargne, la fréquence des contributions, le règlement intérieur, le taux d'intérêt vraiment sur les conditions de prêt et au bout du sucre les montants à percevoir pour chaque membre. Les AVEC constituent des vecteurs dynamiques d'autonomisation et d'insertion économique et sociale des familles. Elles constituent aussi des stratégies adaptées aux ménages les plus vulnérables, les plus pauvres. Objectif, renforcer la sécurité financière des, des ménages, offrir un accès facile au crédit parce que nous, quand nous commencé, il y avait les, mutuelles de crédit. Les mutuelles de crédit, dans ils te demandaient, ils te proposaient un crédit de 100 à 50 000, à 250 000, euh, à un moment jusqu'à 1 million. Les femmes prenaient ces crédits, donc ils 500 000, ils dem 200 000 ils toggal 100 000 ils nga 100 000 ils nga 100 000 beneen 100000 bi nga bëgg ci liggéey pour fay 500000 du àgg un mois deux mois mënatoo fay nga dem ci beneen mutuelle ñoom tam dañ lay joxaat finalement li ñuy wax suul bukki sulli bukki bukki bi mujj moo lay lekk femmes yi un moment dañ doon quitter seeni kër sit quitter seeni ménage daw génn dëkk bi ndax loolu donc. Euh, La mise en place a permis de développer des fortes capacités d'épargne et d'offrir une réponse appropriée à la mobilisation et à la structuration des communautés à la base pour consolider les stratégies de résilience à la pauvreté. Donc, euh, cependant, les AVEC n'ont pas suffisamment d'accompagnement. Jusque-là, nous avons Jusque-là, à on a un grand réseau de 71 associations villageoises d'épargne et de crédit. Donc, il fallait un accompagnement dans le domaine de l'éducation. Donc, avec la dynamique euh, avec, euh, on soutient la mise en œuvre et la pérennisation de son programme de prise en charge intégrée de la santé de la mère et de l'enfant, de promotion de l'accès pour tous à une éducation de qualité pour les enfants et surtout du maintien des filles à l'école parce que moi je me réclame féministe mais am yenn milieu yenn y a fa je me dis que si prononcer parce que est donc deux actions et euh, deux objectifs et des actions sont définis dans le domaine de l'éducation appuyer la dissémination du modèle des groupes de jeux. donc euh, bi nous deux fois par semaine les femmes qui ont des enfants de six mois à trois ans nous donnent des ci benn kër bon ak nous nous ñu am à la main parce qu'on n'a pas les moyens Nous avons dañ fa doon daje di fo pour socialisation mais parents aussi nous les di sur la malnutrition sur le programme élargi de vaccination sur l'éducation pour les yi nga xam ne école mais surtout xale ñu dugal leen préscolaire parce que nous avons aussi suñu Euh, Hmm? <laughs> Donc, euh, dans le domaine euh, promotion des agères, deux axes d'intervention sont de la création et la gestion des agères, la formation dans la mise en place d'un réseau. On a un très grand réseau. Objectif, renforcer les capacités des femmes à créer et gérer leur propre agère. Action, former les femmes sur les techniques simplifiées de création des agères, formation sur la comptabilité, formation sur le marketing et les techniques de vente. Donc, il y a aussi la promotion du leadership des femmes, les violences contre les femmes, les inégalités des droits dans le ménage et les normes sociales discriminatoires contre les femmes, notamment la faible représentation dans les instances de décision, les difficultés d'accès aux ressources financières et à la connaissance constituent des défis majeurs pour le renforcement de la résilience des ménages l'égalité de genre et l'amélioration des moyens d'existence des femmes. Il s'agit ici de renforcer les capacités des femmes à développer un leadership et un plaidoyer fort pour améliorer leur participation au processus de prise en charge, de prise de décision au sein des ménages et de la communauté. Euh, renforcement du pouvoir de décision des femmes, action renforcement des capacités d'intervention des femmes pour la formation sur l'approche du genre, le leadership et le plaidoyer. Renforcement des femmes, des capacités des femmes à mieux s'impliquer dans le processus de prise de décision dans les ménages et les communautés. Sensibiliser les femmes pour une bonne orientation des dépenses dans les ménages. xam vraiment mais on a eu des cas de succès. on a des femmes de nos membres qui vendaient par exemple cere ngoon dafa daan dem ci machine bi ñu lebal ko ñaari kilo dugub mu defar cere après mu dem fay kooku mu am eh, kiyam kooku tey dëkkam bi booru Bawol daf fay dem elle achète des sacs de ma euh, de mil déposé ko ci borom wolukaay bi tey jigéen yi fay jaay cere yëpp moo leen di jox d'autres femmes yu doon jaay ay sachet ndox tey am nañ ay congélateur di jox boulangerie ak képp